sommes mercredi 2 mars 2022. Monsieur Lama, bonsoir et bienvenue à cette euh, grande édition d'information sur euh, le miroir euh, de la femme. L'appel à un marché mort pour ce 2 mars 2022, lancé par quatre syndicats du domaine, n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est le constat qui se dégage ce matin où la presque totalité des commerçants ont euh, fermé leur euh, boutique, ce qui laisse croire aux initiateurs que le mouvement a été une euh, réussite dans le constat que j'en fais sur le terrain. Reportage Zainab Gagara, à la colère des milliers de commerçants a été constatée à travers le mot d'ordre lancé ce 2 mars 2022 par le syndicat de commerçants de Niamey pour un marché mort. En tout cas, une mobilisation exceptionnelle avec la fermeture presque de la totalité des boutiques a été observée. Une réussite observée tant au niveau du grand marché, du petit marché, des grands établissements commerciaux, le nouveau marché, le marché de Wadata et même les vendeurs ambulants et autres centres commerciaux étaient fermés dans leur totalité une occasion saisie par les commerçants pour lancer leur cri de cœur. Le constat qu'on a fait, c'est un constat vraiment grandiose. Euh, c'est un constat qu'on a fait, qu'on n'a jamais eu euh, en tête qu'il y aura une telle euh, manifestation au niveau des commerçants. C'est un grand remerciement au niveau de tous les commerçants du Niamey en, en, particulier, en général euh, les commerçants du Niger. Et vraiment, ça a été respecté à 100%. Partout, vous avez vu, vous avez les images avec vous. Ce marché mort, euh, on a déposé ce marché mort par rapport à la machine euh, de à la machine, euh, euh, à la machine, facture certifiée et au remboursement des impôts et des patentes. Le secrétaire général du syndicat national des agents de transit réitère leur accompagnement pour l'atteinte de leurs objectifs. Tout ce qui touche le chevet d'un commerçant touche également le transitaire. Donc nous sommes ensemble. vous rassurer, ça c'est un. Deuxièmement, nous ignorons que nous avons fait un appel. Nous avons lancé un appel au gouvernement pour nous écouter parce que nous sommes les gens à être écoutés. Très malheureusement, certains ont pris notre fardeau, notre casquette pour se prononcer à notre place. Et l'État a compris, l'opinion nationale et internationale a compris maintenant qui est-ce qu'il faut composer avec et qui est-ce qu'il faut écouter. Nous les avons interpellés, nous ne voulons pas que ce jour vienne, mais ils l'ont cherché à eux-mêmes. Maintenant, aujourd'hui, ils ont vu qui peut faire quoi dans ce pays ah, Nous avons essayé, nous n'avons pas reculé. Et je veux vous dire une chose, si jamais nous avons écrit au gouvernement de nous écouter, parce que ce problème, nous l'avons évité avant aujourd'hui. Nous avons rappelé le pognon et international que ce jour-là sera un jour. Certains ont pris nos casquettes pour parler à notre place, dire qu'ils vont faire en sorte que ça ne marche pas. Et les gens ont vu maintenant qui peut faire quoi dans ce pays. Alors, je vous dis une chose, même les régions de même les autres régions, la douane s'est fermée. Notre revendication, on l'a dit, c'est par rapport à la facture certifiée, qui est également une situation qui peut dégrader l'économie nationale. Nous avons également interpellé par rapport au, euh, texte synthétique. Nous avons également rappelé par rapport au passe avant. Qu'est-ce que je veux dire par un passe avant Moi, je suis un importateur, j'ai payé ma marchandise à Niamey, j'ai dédouané à Niamey, et qu'on me dise que je n'ai pas le droit d'amener ma marchandise à Malawi ou à Dosso, où j'ai eu un erreur. Quelle loi le dit Il n'y a aucune loi qui le dit. Je fais partie de ceux qui connaissent le code de douane dans la tête, je n'ai pas besoin de le Le code de douane n'a pas prévu que la marchandise que j'ai j'ai trouvé un acteur malade, je l'amener. Cette situation devrait interpeller les autorités de tutelle afin de trouver un terrain d'entente avec les opérateurs économiques de la capitale, car cette opération de marché mort entrave les activités de la population et impacte négativement l'économie du pays. Clôture cet après-midi au palais du 29 juillet de Niamey de la 7e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger Sahel Niger 2022, présidé par le ministre de l'Agriculture Alambaji Abba Issa. D'autres précisions avec Zenob L'engouement du public avec une forte participation de plusieurs visiteurs a été constaté durant les six jours du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger, qui a été aussi marqué par la qualité et la diversité des produits agro-pastoraux et halieutiques. Sahel Niger 2022 qui a pour thème l'agriculture nigérienne dans la zone de libre-échange continentale africaine. Comment assurer la modernisation des techniques, la compétitivité des chaînes de valeur et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le ministre, en cet instant solennel de clôture de ce salon, le ministre de l'Agriculture a salué et félicité les participants ainsi que les partenaires techniques et financiers. Pour continuer à améliorer la production de l'huile dans notre pays, des solutions innovantes à travers l'utilisation non seulement des semences adaptées, mais aussi des techniques culturelles et technologies agricoles ont été présentées pour pallier au stress hydrique engendré par des séquences sèches à des stades végétatifs sensibles tels que les piézons, la floraison et les quand Quant aux produits transformés à base de aussi bien frais que sec, nous ne pouvons que nous réjouir des innovations présentées lors de cet événement. Mesdames et messieurs, je saisis cet instant solennel pour saluer et féliciter toutes les délégations et les comités d'organisation pour son professionnalisme dans la préparation et la conduite de cet important événement pour les résultats tangibles obtenus. Je voudrais associer à cette réussite les autorités administratives et décentralisées de la région de pour leur contribution inestimable, mais également les dispositions adéquates prise par le ministère de l'Agriculture, les autres ministères sectoriels concernés et les hauts commissariats à l'initiative 3 pour assurer une parfaite organisation du Sahel-Niger 2022. Ce succès, nous le devons surtout aux exposants qui, à travers leur large implication et leur engagement, ont matérialisé leur présence, présence massive à cette édition avec une grande originalité et une bonne qualité de produits exposés. Notons que ce salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger Sahel Niger a pris fin avec la remise des prix aux récipiendaires à ce salon qui est couplé au Festival international du Mille Festimil la suite euh, de cette euh, édition, l'ambassade des États-Unis a parrainé ce 2 mars 2022 euh, la cérémonie d'ouverture de la conférence des femmes des forces de l'ordre qu'elle a financée en vue d'améliorer les conditions socio-professionnelles des femmes. Détail au Niger, elle est la première du genre. Cette conférence des femmes de force de l'ordre financée par l'ambassade des États-Unis au Niger retenue sous le thème l'émergence des femmes de force de défense et de sécurité du Niger pour améliorer la condition sociale et professionnelle des femmes, de leur famille, de leur communauté locale et sur les lieux du travail. Pendant ces trois jours de rencontre, nous allons consolider et actualiser la synergie d'action qui a toujours prévalu dans les rapports entre les forces de défense et de sécurité nigériennes et créer un cadre historique et permanent d'échange et d'expérience afin d'améliorer significativement la capacité de la femme FDS sur le plan national et international. C'est pourquoi, lors de cette rencontre, plusieurs thématiques mettant en évidence l'autonomisation et le leadership des femmes FDS seront débattus et discutés. Ces échanges vont porter entre autres sur l'innovation, l'engagement, l'encadrement, le renforcement des capacités, le partenariat, la sécurité, l'identification des opportunités individuelles et collectives, l'égalité du genre et les violences basées sur le genre durant pour les bailleurs de fonds de cette conférence, les femmes représentent une force pour la paix et un guide pour faire progresser la sécurité. Les États-Unis reconnaissent et promeuvent le rôle essentiel des femmes dans les domaines politiques et sécuritaires, y compris l'application de la loi. Nous restons fermement déterminés à faire progresser les droits fondamentaux des femmes et des filles en tant qu'élément central de notre politique étrangère. Ce choix se justifie davantage par l'implication des femmes dans tous les secteurs, enregistrant ainsi des avancées éclatantes. Cette conférence est la première du genre pour les femmes de différents services d'application de la loi au Niger. Elle est conçue pour créer une dynamique entre les femmes FDS et permettra d'aboutir à des résultats plus éclatants dans le renforcement du pouvoir économique des femmes, dans leur émergence et leur participation à toutes les actions de développement. Aussi, le gouvernement du Niger a adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires. Il a également mis en œuvre plusieurs stratégies, initiatives programmes et projets en faveur de la femme. Ces actions ont permis aux femmes d'améliorer sensiblement leur participation dans le secteur de la sécurité à travers les divers recrutements qui font que l'on constate l'admission progressive des femmes au cours de cette dernière décennie. La conférence des femmes des forces de l'ordre financée par l'ambassade des États-Unis au Niger va outiller les femmes des forces de l'ordre à booster leur carrière tout en améliorant la situation sociale de la gente féminine. Une délégation de formateurs dans le cadre du projet Afrique Kibaro euh, était ce matin dans les locaux de la radio et télévision en Tambra en tant que radio partenaire pour une euh, visite. Les échanges ont donc porté sur la poursuite du partenariat entre le dit projet et la radio Tambra pour la deuxième phase, n'est-ce pas, Ralia Sami? C'est un prélude à la deuxième phase de formation sur les émissions interactives et attractives que les formateurs des différents pays retenus dans le cadre du projet Afrique Barou en formation au Niger ont effectué cette émission au niveau de la radio et télévision Tambara. Il s'est agi pour eux de constater de visu la réalité à Tambara afin d'identifier et combler les besoins dans le cadre du partenariat qui les lie. Le projet Afrique Barou c'est en deux phases, donc une phase formation en plénière avec des animateurs et des animatrices et une deuxième phase euh, euh, en coaching in situ où les formateurs se déplacent cette fois et ils se rendent dans les médias euh, formés afin de voir si les engagements pris lors de formation ont été mis en application. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là, en préparation de la formation sur l'interactivité qui débute bientôt. Je pense que le Niger, c'est à partir du 21 mars. Donc euh, c'est dans un premier temps recueillir un peu les besoins euh, de Tamara en termes de, renforcement des capacités sur tout ce qui est euh, interactivité, attractivité des médias, aussi bien à la radio qu'à la télévision et sur le web, donc sur les réseaux sociaux et sur la page web de, de, votre média, voir quelle amélioration nous, en tant que formateurs, nous pouvons vous apporter pour que voilà, euh, les contenus euh, de Tambara en, respectant la ligne éditoriale de votre média puisse booster davantage euh, votre audience et puisse vous amenez à aller vers une euh, production de qualité. Le projet Afrique Ibarou, mis en œuvre dans six pays de l'Afrique de l'Ouest et qui concerne 48 médias à travers ces pays, vise à enrichir l'information sur le développement durable au Sahel. Cette euh, immersion au sein de la radio et télévision Tambara témoigne du partenariat commun fructueux qui existe entre la radio et le projet Afrique Ibarou.